Monsieur, dames, bonsoir. Il est 18h15 à Niamey. C'est l'heure du forum du studio Kalangou à la présentation de fils Adamou Sirfo. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés dans les huit chefs lieux des régions du Niger ainsi que dans une vingtaine de départements grâce à notre réseau dynamique de 31 radios partenaires. À Niamey, vous pouvez nous suivre en direct euh, sur Alternative FM 99.4 MHz, Amfani FM 100 MHz et Quarat give FM 90.9 MHz, notre page à Facebook à Studio Kalangu, notre site à internet à www.studiokalangu.org. Le forum du studio Kalangou, c'est votre émission radiophonique qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez quotidiennement. Le point des préparatifs du championnat national de lutte traditionnel le mois prochain avec un focus sur l'état des lieux depuis le tout premier championnat. C'est la thématique autour de laquelle nous débattrons ce soir. Au Niger, la lutte traditionnelle se présente comme le sport le plus ancien et le plus populaire car cette discipline occupe une place dominante dans le concert des manifestations sportives et culturelles. Elle est considérée comme le sport roi au Niger. Dans ce débat, nous allons dans un premier temps, avec nos invités présents ici, retracer l'historique de la lutte traditionnelle au Niger, comment se pratique ce sport roi, qui est apte à pratiquer ce sport, quelle est la situation actuelle de la lutte, quelles sont les raisons de l'organisation des championnats traditionnels de lutte traditionnelle et comment se déroulent ces championnats, depuis quand les championnats de lutte sont-ils organisés de manière tournante et pourquoi, quel rôle joue le ministère en charge des sports et la la Fédération de lutte pour renforcer la place qu'occupe la lutte traditionnelle au Niger. Quelles sont les difficultés auxquelles font face les lutteurs Comment se prépare le prochain championnat à Zender Quelles sont les dernières modifications apportées dans le règlement et depuis quand, quelles sont les erreurs à corriger pour un meilleur championnat cette année. C'est à toutes ces questions et à bien d'autres que nous tenterons de répondre. Avec nous dans ce studio, M. Sali Sourabo Ubendawaki, il est le directeur du sport pour tous au ministère de la Jeunesse et des Sports. Bonsoir à vous. Bonsoir. Nous recevons également M. Moussa Jubo, secrétaire à la communication de la Fédération nationale de lutte traditionnelle. Bonsoir à vous. Merci. Chers invités, merci une fois de plus d'être venus. La lutte traditionnelle, c'est de cela que nous discuterons ce soir. Mais avant, vous allez passer à une brève présentation de vos structures respectives euh, et vos fonctions. Je commence par vous, Monsieur Sali Surabo Bandouaki. Merci. je m'appelle Salisu Sourabou Bandouaki. Je suis le directeur de sport pour tous au ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc, euh, je suis, euh, c'est ma direction qui s'occupe euh, réellement des préparatifs du championnat national de lutte traditionnelle qui est aujourd'hui devenu sabre national. Merci à vous, Monsieur Jibo. je m'appelle Monsieur Moussa Jibo. Je suis le secrétaire à la communication de la FINULUT, en abrégé, Fédération nigérienne de lutte traditionnelle. Je suis là au nom de la fédération et je suis venu pour répondre à votre invitation. Notre structure gère la lutte dans le thème technique. Techniquement, nous aidons le ministère à faire de la lutte l'espoir roi comme vous avez eu à le dire, mm. du Niger. Merci à vous. Euh, la lutte traditionnelle est une, une pratique sportive purement traditionnelle pratiquée depuis des décennies ici au Niger et dans plusieurs autres pays de la sous-région tels que le Sénégal. Ici au Niger, à quand remonte l'introduction de la lutte traditionnelle dans les pratiques sportives traditionnelles du Niger Écoutons l'historique de ce sport roi avec Maître Marie Malandouda, ancien cadre du ministère de la Jeunesse et du Sport, ancien lutteur et ancien entraîneur et arbitre de la lutte traditionnelle au Niger. La lutte, en tout cas, était pratiquée depuis les temps immémoriaux dans notre pays. La femme connaît la lutte, l'homme connaît la lutte. la révalorisation de la lutte a eu lieu à partir, en tout cas, de l'événement des forces armées au pouvoir à partir du 15 avril 1974 avec M. Kunche. Et tout de suite, il a vu parmi les jeux et les sports traditionnels quels sont les jeux qui attirent beaucoup le public, en tout cas dans le cadre de l'unité nationale. Ainsi donc la lutte a été retenue parmi ces jeux qui devaient être en tout cas facteurs de l'unité nationale. Le premier championnat de lutte a eu lieu en tout cas en 1975 et c'était le feu tout qu'on appelle en tout cas Yakuba Ango, de hmm. Maraï, qui a remporté le sabre. De 75, en tout cas, à 2017, il y a eu en tout cas un bon bonhomme de chemin. Nous avons fait en tout cas 38 éditions de lutte et nous sommes actuellement à la 39e édition qui doit se dérouler normalement à Zender du 25 décembre au 3 janvier 2018. Donc la lutte est un sport, est une activité physique aimée de tout le public nigérien. Et pour les gens qui ne connaissent pas la lutte, faut pas penser que c'est le même sabre qu'on reconduit. Chaque sabre national est un nouveau sabre offert par le ministère, en tout cas, des Sports. Le fabricant de ce sabre est quelqu'un, un certain Gissa, qui se trouve, en tout cas, au musée national. Et actuellement, il est pris par l'âge, mais jusqu'à ma connaissance, jusqu'à maintenant, c'est lui qui fait les sabres. Il n'y a que le premier sabre que nous avions acheté au marché et tous les autres sabres, en tout cas, sont fournis par le ministère et les prix ont varié entre 180 000 unités et à 200 et quelques euh, mille francs l'unité. La lutte se déroule dans une arène. Fermez les yeux et regardez. Nous avons huit régions au Niger. Toutes ces huit régions sont dotées d'arènes, en tout cas, de lutte. Et les arènes de lutte au Niger sont les seules et les meilleures dans le monde entier. Chers invités, vous venez là d'entendre les propos de Maître Marie. Alors, Monsieur Salih Sourabo, quel commentaire sur ces propos de Maître Marie En tout cas, comme il l'a si bien relaté, la lutte a connu un, parcours assez honorable au Niger. Comme vous l'avez, eh, il l'avait si bien dit, effectivement, le premier championnat avait eu lieu à Tawa en 1915. Et depuis lors, euh, les autorités de l'époque avaient jugé utile d'organiser chaque année un championnat, le championnat de lutte euh, nationale, qui est organisé sous forme de fête tournante. À chaque année, il y a une région qui est désignée et aujourd'hui, grâce à ce que nous ont légué nos aînés, donc tout le monde sait qu'aujourd'hui, après telle région, après la région euh, euh, suivante. qui va organiser ce, championnat. Comme il a si bien dit aussi, vous connaissez les efforts que le ministère à travers l'État, bien sûr, le ministère de la Jeunesse qui représente l'État, les efforts qui ont été faits pour construire les, les, installations sportives qui sont le premier cadre de pratique de cette discipline. Voilà, qui sont les arènes. Hum. Donc, effectivement, dans toutes les régions du Niger, vous avez une arène et une grande arène qui peut vraiment accueillir valablement les championnats qui sont euh, organisés. Cette culture est maintenue. En tout cas, les autorités et, suivre de près le championnat, ce qui se passe à travers la lutte. Donc c'est devenu vraiment une fête, une fête nationale. Et donc euh, comment, comment peut-on définir euh, la lutte traditionnelle La lutte traditionnelle aujourd'hui, elle dépasse vraiment le, le cadre euh, sportif. En tout cas, c'est devenu une culture nigérienne. Parce qu'aujourd'hui, je suis sportif et je suis un, un, un encadreur sportif, mais je sais que aujourd'hui, de la manière dont les gens eh, apprécient la lutte. En tout cas, ce n'est pas donné à n'importe quelle discipline sportive. Ah, à, titre d'exemple, je peux vous donner, eh, quand j'étais à l'époque euh, régionale, eh, j'étais une fois régional à Maradi. On avait ramené le sabre en 2006 de, Difa, mais c'était une marée humaine depuis Agué mm. jusqu'à jusqu'à Maradi. Même chose quand j'étais à Zender, quand on avait ramené le sabre de Niamey en 2013 avec Ali Oussalo c'était la même chose, une marée humaine. C'est toutes les catégories qui sortent. Vous avez les enfants, les jeunes, les moins jeunes, même les vieillards. Il y avait un véritable engouement. Engouement vraiment de toute la population. Donc c'est pour vous dire en un mot que la lutte est une affaire de tout le monde. Quelles sont euh, les principales règles qui, régissent ce, sport Bien, donc vous savez, les règles, elles sont édictées par, euh, toujours euh, par le code de lutte qui est chaque année un certain nombre d'années à un certain nombre d'années, on, revient, on le modifie. Mhm. C'est-à-dire, on voit un peu là où le règlement est un peu euh, euh, discuté ou bien qui n'est pas bien compris de, tous. Donc, le ministère juge utile au moment opportun de revenir par rapport à cet article ou bien à un ensemble d'articles pour, pour les revoir et afin de corriger un peu ces points, mhm. afin de rendre encore la lutte plus attrayante. Merci à vous, M. Euh, Monsieur Moussa Jubo. Euh, vous êtes euh, le secrétaire à la communication de la lutte on sait que les fédérations, elles sont créées pour, pour faire la promotion des sports. Vous, quel rôle joue réellement la lutte dans le progrès de la lutte traditionnelle ici au Niger Par rapport à, ce qu'en tant que fédération sont en train de faire par rapport à la lutte traditionnelle, D'abord, euh, notre association est là pour, euh, comme j'ai déjà dit, eu à le dire, aider techniquement le ministère pour promouvoir euh, la lutte traditionnelle. Tu sais, les fédérations sont là parce qu'on a voulu qu'elles soient là. Et c'est des structures qui travaillent main en main avec le ministère. Donc, c'est en fonction de ce que veut la politique que veut jouer la, les c'est en fonction de ça que nous, nous travaillons. Donc, généralement, euh, en tout cas, en tant que structure, nous sommes en train de suivre la politique du gouvernement parce que c'est ça que nous pensions pouvait développer euh, l'esport. Et surtout que quand il prend euh, la lutte, quand il y a championnat, tu vas voir, c'est l'ensemble des autorités qui sont pendant 10, jours sont bloquées là-bas au lieu de manifestation. Mm. Donc c'est vraiment, ce n'est pas comme les autres sports, c'est purement euh, politique et c'est pour ça que nous sommes très rattachés aux termes euh, social et politique euh, de la lutte. Quels sont les paris réussis dans ce domaine par la FENILUT depuis sa création donc, euh, par rapport à ça, quand il prend, on, a fait, on est au 39e, à la 39e organisation du, championnat. Et chaque fois, après, à la sortie de ces, de ces fêtes-là, en tout cas, sortant avec plus d'engouement que le passé. Donc vraiment, euh, la fédération en tant que telle, sa réussite est que la réussite de ces événements en tant que telle et ce que euh, les acteurs de la lutte sont en train de recevoir. Parce que quand tu prends de 1 million par rapport au, prix, on est arrivé maintenant à 10 millions. Ça veut dire que vraiment, en tant que structure, nous, nous sommes fiers que nos acteurs sont en train de profiter de leur euh, la lutte même en tant que telle, comment se pratique ce sport Oui, la lutte en tant que telle, comme euh, c'est tout, ça a été un peu transformé, mais de, ça a été, eh ben, en tout cas c'était la même chose. Ces deux gars, on prend deux gaillards qui ne sont pas, mhm. pas, nus, qui, sont, qui, portent, des... culottes, qui sont dans une arène, bien mesurés, donc euh, il, le deux s'affrontent et Vraiment, il y a beaucoup de règlements mhm. pour empêcher à ces deux euh, lutteurs de ne pas se blesser. Mhm. Parce que généralement, c'est pas comme les autres sports où les gens peuvent se blesser. Au niveau de la lutte, en tout cas, l'intégrité physique de, la personne est tellement préservée que quelqu'un ne doit pas, en tout cas, toucher à l'intégrité physique euh, de son adversaire. Ce règlement de lutte, euh, c'est au ministère de, le modifier chaque année, comme il vient de le dire. Et donc, euh, Monsieur Salissou, le règlement, qu'est-ce qu'il dit pour cette année Est-ce qu'il a déjà été modifié pour cette année Bon, pratiquement, cette année, le, code, c'est le code, on l'appelle, mhm. le code de lutte qui réglemente la lutte. Et d'ailleurs, toutes les luttes, parce qu'aujourd'hui, pour vous rappeler, le Niger n'est pas seulement inscrit à la lutte euh, traditionnelle. Comme vous le savez, euh, nous participons à plusieurs euh, tournois internationaux. Donc il y a la lutte traditionnelle, mais aussi il y a la lutte gréco-romaine pour, laquelle on participe aussi à l'international. Donc c'est pour vous dire que le code, en général, réglemente toutes ces formes de lutte pour, mais pour répondre spécifiquement à votre euh, question. maintenant, euh, pour cette année, il n'y a pas eu de modification, en tout cas euh, assez, assez significative, mais il y a eu des retouches pour recadrer un peu, en fait, pour redonner à la lutte tout son charme. Pourquoi je l'ai dit Parce que initialement, on fermait les yeux sur la présentation des lutteurs à l'arène, mais cette année, nous avons écrit à toutes les régions pour leur faire savoir que eh, cette année, à Zander Inch'Allah, les lutteurs seront en Banché ou en Waliki. Banché, c'est quoi Banché En Banché ou en Waliki. Banché, c'est une, forme de, une sorte de pagne que les lutteurs des régions de, Difa, généralement, eh, eh, portent pour, pour lutter. C'est leur, si vous voulez, c'est leur waliki ou bien c'est leur tenue traditionnelle. Et le walkie, c'est la peau des, mm. animaux qu'on essaie mm. d'arranger et puis de porter pour vraiment rester dans sa forme traditionnelle, comme on dit, le sabre national de lutte traditionnelle. Et pour rester dans le cadre traditionnel, là, on a voulu vraiment conserver ces choses qui nous appartiennent. C'est-à-dire, c'est uniquement au Niger que vous allez voir ce walki-là. Et bon, le banquier, on le partage avec d'autres pays, mais on veut vraiment sauvegarder le caractère traditionnel de la chose. C'est pourquoi cette année, on a écrit à toutes les régions pour leur dire que vraiment, voilà, il faudrait maintenir euh, ces, tenues dans la pratique. Mm-hmm. Et tout lutteur qui ne viendra pas avec ces choses ne sera pas admis à, à lutter. Ça, c'est un. deuxième mois pour continuer toujours à revaloriser les aspects culturels du Niger, aussi, on a le ministère a écrit aussi euh, aux régions cette année pour leur dire que les lutteurs doivent compétir à trois niveaux, c'est-à-dire parmi les, les, 16 lutteurs, ils vont choisir les 16 lutteurs sélectionnés de chaque région. Il y aura un, un certain nombre parmi eux qui vont faire une démonstration de danse traditionnelle, mm. de lutte. Ça aussi, c'est pour revaloriser les aspects culturels. Deuxièmement, il y aura une, un concours de présentation de walkie ou de bantier C'est-à-dire, c'est les lutteurs qui vont venir avec leur accoutrement, qui vont défiler devant un jury, comme on le fait au niveau des, concours euh, que vous connaissez, des, des et autres. Il y a un jury devant le jury, le lutteur, un défilé pour montrer un peu tous les aspects traditionnels et le jury va apprécier la chose à sa juste valeur. Mhm. Et enfin, il y aura un, autre concours de Kirari. Ça aussi, c'était, si je me rappelle, depuis l'époque des, des que ça se faisait. Aujourd'hui, vous qui êtes les jeunes là, vous n'avez pas connu les lutteurs, vraiment les lutteurs qui eh, font le kirari. Et d'aucuns même sont en train d'oublier, quand on dit kirari, ils, vont même se poser la question de savoir c'est quoi kirari. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de le voir. Alors qu'à l'époque, c'est ça, quand Sogolo eh, eh, chante les louanges d'un lutteur, il se met dans tous ces états ou en transe. Donc après, il saute, il vient, il fait son kirari devant mhm. tout le monde. Mhm. Ça crée un charme, ça crée vraiment un engouement et, même sa région. Ça fait une fierté pour la région. Donc ce sont ces valeurs traditionnelles qu'on a voulu revaloriser et que on veut que les lutteurs, en tout cas à partir de cette année, et, de, ces valeurs. Est-ce que tous ces, tous ces règlements que vous venez de citer, c'est en convenance avec la fédération que vous prenez tous toutes ces décisions Merci, merci vraiment. Merci de me le rappeler. Je devrais même le dire avant que vous ne me posiez la question. Et à chaque fois quand il y a des difficultés dans la pratique, comme je vous ai dit, on ne change pas pour changer. On change quand il y a dans l'application des problèmes. Donc on se, on se retrouve vous savez, le, sport est dynamique et il y a une évolution. Donc dès lors où, à un certain moment, on constate que les limites d'un certain nombre de règlements, on est obligé de revenir et ensemble, ce n'est pas le ministère seulement qui décide. Le principal partenaire, c'est la fédération. Et la fédération, elle aussi, elle appelle ses démembrements, ce qui sont les ligues au niveau des régions. Donc on se retrouve dans un premier temps, il y a un travail au niveau national qui s'est fait. Il y a un comité qui, qui, est toujours mis à, à cet effet par le ministre en charge de la jeunesse et des sports. Et le comité travaille d'abord par rapport aux, articles ou bien à amender le code. Et après, il y aura une rencontre élargie aux ligues, aux régions mm. pour amender et de le concert avec la fédération et et aussi les représentants des chefs traditionnels. Parce que la lutte était un, un, sport qui se pratiquait devant la cour des chefs mhm. traditionnels. Mhm. C'est pourquoi on n'a pas voulu occulter cet aspect et qu'ils sont conviés à chaque fois quand il y a un problème euh, de relecture de mhm. code. On sait que cela fait plus de 40 ans que, des, que les championnats de lutte sont organisés. Est-ce le ministère à lui seul qui en a la charge globale de ces championnats Pour être très clair avec vous, en tout cas, le ministère, euh, pour ce qui est du sabre national, c'est le ministère qui organise et la fédération vient en appui. Mais pour toutes les autres, euh, les autres formes de lutte ou bien les autres tournois, la fédération euh, nigérienne de lutte, la lutte, comme d'ailleurs toutes les autres fédérations sportives nationales, elles ont un cahier de charges, elles ont une délégation de pouvoir offerte par le ministère. Donc c'est avec cette délégation de pouvoir qu'ils travaillent. Et c'est elle qui leur permet d'agir librement, d'organiser des compétitions. Mais naturellement, elles ont la tutelle qui est le ministère. Donc elles doivent rendre compte de tout ce qu'elles veulent initier et aussi de, faire un rapport à la fin pour montrer vraiment les activités qu'elles ont eu à mener. Oui, et qu'en est-il des partenaires Est-ce qu'il y a euh, leur part dans le budget d'un championnat Naturellement, la fédération a toujours un budget. Vous savez, dans les préparatifs, il y a une phase pour laquelle la fédération organise, elle va à, une semaine du championnat, de chaque championnat, elle organise un stage de recyclage des arbitres. Et ce stage, pourquoi on, le fait C'est parce que on a remarqué que au niveau de, il y a d'abord des, nouveaux arbitres qui arrivent et il y a des, anciens qui, qui, quittent. Donc à chaque fois quand on initie, on forme, eh bien on est obligé de mettre ces nouveaux arbitres là au pas, c'est-à-dire mmh. les initiés au championnat avant, avant le jour J, qu'ils puissent officier, être formés, encadrés pour que à, le jour J qu'ils ne fassent pas d'erreur quant à, de jugement qui est généralement porteur de troubles. Parce que dès qu'il y a erreur, c'est vraiment euh, euh, euh, là où on, vous allez voir des, soulèvements de, de, part et d'autre. Donc ça, c'est de un. De deux, on fait les stages aussi souvent pour ces nouveaux, mais aussi au cas où il y aurait des, des retouches. Donc s'il y a un règlement, par exemple, qui interdit telle pratique, ils doivent venir s'asseoir, essayer de parcourir tout le code et dans la pratique, mettre tout, le monde, tous les, les, arbitres à l'épreuve, voir est-ce qu'ils ont, ils ont assimilé, et c'est pourquoi on organise. Et de l'autre côté, la fédération aussi a la latitude de, de faire du sponsoring. Elle fait le sponsoring pour avoir des, les autres moyens nécessaires pour mener ses activités, des financements. des financements, pour mener sa, politique. Mhm. Parce que, comme je vous ai dit, le ministère donne à chaque fédération un cahier de charge. Mm-hmm. Et dans le cahier de charge là, c'est à la signature, vous dites que vous pouvez prendre cette charge là, ce cahier de charge pour travailler et vous signer. Mm-hmm. Dès lors que vous, que vous signez la convention, vous êtes obligé de respecter eh, cet engagement et mm-hmm. de chercher les moyens pour organiser ou bien pour faire pour réaliser vos activités. Monsieur Moussa Jibo, donc vous venez là d'entendre toutes ces explications sur euh, l'organisation du championnat de ce mois prochain. La fédération même en tant que telle, euh, quel rôle elle joue dans l'organisation des championnats de lutte, de lutte. Dans l'appui technique, tout ce qui est organisation technique, matériel et autres, c'est à la fédération qui s'occupe de ça. Quand il prend l'arbitrage officiel, quand il prend le membre du jury, quand tu prends la table technique et autres activités qui, en toi, qui entourent euh, la réussite technique euh, du championnat, quand tout cela est réservé à la fédération. Y compris la sélection des joueurs Oui, et c'est là même où euh, la fédération joue beaucoup, parce que des districts jusqu'au niveau national, c'est des, mouvements... Euh, de la fédération qui sont chargés de sélectionner euh, les lutteurs. Et comment se fait cette euh, sélection, les critères à, respecter, tout ça donc, chaque région ou bien chaque district a, leur propre organisation. Et officiellement, nous, on les envoie. On les envoie des messages pour leur dire voilà le nombre de lutteurs qu'on veut. Généralement, c'est 16 lutteurs, dont un CDAO, 15 euh, mm. majeur et un de 65 kilos. C'est ce que mm. nous, nous appelons CDAO. Donc, généralement, c'est à eux de voir comment ils vont s'organiser. Et généralement, euh, les sélections se font entre d'abord les districts et après, quand les districts vont avoir leur équipe, ils vont aller euh, s'affronter entre eux pour que la Ligue, en tant que telle, eux, donc c'est l'équipe de la Ligue qu'ils vont amener au championnat. Quel est l'âge minimum des jeunes qui doivent participer Donc, l'âge minimum, c'est 18 ans parce que c'est apparemment l'âge mineur de. En tout cas, on ne doit pas être inférieur à l'âge 18 mhm. ans. Que vous en êtes où pour les préparatifs du, championnat de, 2017, de ce, du mois prochain Du mois prochain. Donc, euh, comme je viens de le dire, dans les régions, les gens sont déjà au niveau, les sélections sont déjà au niveau des régions. Au niveau des districts, les gens ont déjà leur équipe. Maintenant, ils sont en train, 10 et, euh, entre 10 au 20, en tout cas, ils ont presque ils sont en train de faire les sélections au niveau des districts. À partir du 20, ils vont tous faire les sélections au niveau des régions. Donc vraiment, ils sont partis très vite pour que à Zander, on ait des lutteurs bien nourris et bien... Parce qu'il nous faut au minimum un mois pour les nourrir encore. Cette euh, prise en charge des lutteurs avant et même après le, championnat, est-ce que cette prise en charge revient à la fédération ou bien au ministère et Comme euh, nous avons eu à le dire, par rapport au sable, en tout cas, c'est le ministère qui fait euh, l'essentiel. Parce que quand il prend à travers les régions, parce que c'est les régions, les gouverneurs qui prennent en charge euh, les lutteurs. Donc vraiment, c'est l'État qui les prennent en charge. Je reviens vers vous, Monsieur Salus Sorabo. Comment se fait cette prise en charge des lutteurs avant et même après le sabre La prise en charge au niveau des éliminatoires euh, communales, donc, se font par les communes elles-mêmes c'est-à-dire euh, la fédération, de concert avec le ministère, elle nous envoie un programme des éliminatoires, c'est-à-dire cantonal, euh, communal et puis euh, départemental, ensuite régional. Tout ça là, et puis nous, on envoie au niveau des régions. Maintenant, une fois que le programme est parti, comme je vous ai dit, elles vont procéder aux éliminatoires communales, c'est-à-dire les communes vont se rassembler les communes d'un même département vont se, vont se réunir en un chef-lieu de communes pour organiser leurs éliminatoires communales. Ensuite, elles choisissent leurs 16 lutteurs. Maintenant, on revient au niveau du département et tous les départements se retrouvent au niveau de la région avec leurs 16-16 lutteurs. Et on fait les éliminatoires régionales pour dégager la sélection régionale. Et dans tout ce processus, ce sont les communes en tout cas qui se chargent de leurs éliminatoires. Maintenant, c'est à une fois la sélection régionale faite que le ministère, depuis en tout cas un certain nombre d'années, envoie un appui à l'organisation régionale. C'est un appui. Ça ne veut pas dire la totalité. Le ministère envoie un appui à, à toutes les régions par rapport à l'organisation générale des éliminatoires, soit ils vont voir en tout cas dans quel volet ils vont placer l'appui du ministère et aussi le ministère prend en charge le transport de toutes les délégations. délégations. Voilà, il envoie les frais du carburant de tous les bus qui vont transporter les lutteurs. Et donc c'est le ministère qui débloque tout le fonds quand il s'agit de la restauration, l'hébergement. Voilà, donc par rapport à la restauration, c'est toujours dans le budget national c'est le budget national qui prend en charge l'ensemble des 10 jours que va durer le championnat là. Donc c'est le ministère qui prend en charge dans son budget et qui envoie normalement directement à la région haute mhm. pour qu'elle commence à se préparer avant le jour J. Naturellement, la région haute a aussi ses partenaires. Donc vous savez, ça c'est un minimum qu'on donne à la région. Donc la région aussi s'organise avec ses, propres euh, partenaire pour un peu euh, rehausser son assiette. Et après l'organisation des championnats, est-ce que le ministère continue de prendre en charge ces lutteurs Après le championnat, normalement, tout lutteur qui vient au championnat, à chaque championnat, et ça, ça ne date pas d'aujourd'hui, les lutteurs ont une prime de participation. Tous, mhm. je dis bien tous, sans compter ceux qui sortent victorieux, c'est-à-dire qui sont au podium, mm. c'est-à-dire le premier, deuxième, troisième et d'ailleurs jusqu'au quatrième. Donc jusqu'au quatrième, ils sont sur le podium. C'est pas comme dans, dans les autres sports où c'est les trois, on s'arrête aux trois. La lutte fait une particularité, en tout cas jusqu'au quatrième, il est au podium mm. et il a une enveloppe qui est assez consistante. Maintenant, ça c'est un. Il y a, en tout cas, et ça c'est le ministère qui fait, et depuis un certain temps, comme vous le savez, son Excellence le chef de l'État a aussi eh, mis la main dans la poche. Le président, chaque année en tout cas, il essaie de donner à tous les lutteurs eh, avec euh, un certain nombre d'accompagnants là. Je n'ai pas la liste exhaustive ici. En tout cas, il leur donne chaque fois deux sacs de riz, deux sacs de mille, plus une enveloppe allant de 50 à 100 000 francs. Donc, c'est pour vous dire les efforts qui sont faits. Je vous ai dit qu'il y a la participation qui est au niveau de chaque, chaque lutteur il y a la participation au niveau de, chaque région, c'est-à-dire il y a une participation par lutteur, il y a une participation par région, c'est-à-dire même si la région n'a pas eu le sable, même si la, région n'est pas classée par rapport au nombre de points, donc elle a un prix de participation. Mm. Maintenant, les lutteurs qui retournent, si vous avez bien compris, aussitôt après, il y a des recettes qui se font à travers la lutte et ces recettes sont bien réparties. Il y a une part qui revient à la fédération, il y a une part qui revient réservée pour la sélection nationale et il y a une part qui retourne aux régions. Donc vraiment, c'est un championnat. Le championnat ne peut pas à lui seul nourrir les lutteurs. Mais depuis l'an passé, vous, le ministère aussi, en collaboration avec la fédération, a eu l'idée de former les lutteurs en gardiennage. Donc, il y a une, une première vague de lutteurs qui est là, qui est aujourd'hui utilisé en termes de vigile. C'est déjà un point de gagner. Et je me rappelle moi aussi, ici, quand j'étais à l'époque euh, ici régional de Niamey, on avait soumis à l'époque au, gouverneur de la région qui était Soumana, le colonel Soumana, et qui a pris soin de, placer cinq lutteurs mhm. pour les pour les, faire des auxiliaires au niveau des, des communes. Et c'est important. Et ça va ainsi petit à petit pour insérer des lutteurs. Mais on ne peut pas du coup insérer puisque vous savez, ça fait 80 lutteurs. Rien que ceux qui luttent, plus si vous faites les, 16 mm. qui vont, c'est énorme. Oui, si on comprend donc, c'est des opportunités de travail qui ont été offertes aux lutteurs pour pouvoir survivre même après les championnats. après le championnat. Voilà. Ok, merci beaucoup. Euh, monsieur Gibo. qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il vient de dire Est-ce que vous avez quelque chose à augmenter sur euh, cette prise en charge des, des lutteurs avant, même et après Oui, c'est pour vous dire que ce qu'il vient de dire, c'est uniquement pendant eh, le championnat. Et en tant que fédération, nous aussi, nous avons créé des opportunités à ces lutteurs pour que vraiment, chaque fois, on ait des combats dans les arènes qui leur permettent de se prendre en charge. Parce que eh, la plupart des lutteurs, après le championnat, quittent le Niger pour aller en exode. Et vraiment, ça crée beaucoup de problèmes. Prenez l'exemple maintenant, ils sont tous, la plupart sont en exode. Et ça nous crée beaucoup de problèmes. C'est pour ça que nous avons décidé, au niveau de la fédération, en collaboration avec euh, le ministère, de faire en sorte que de retenir en faisant vraiment des compétitions et des championnats mhm. avec euh, des sponsors qui vont nous aider, qui sont en train de nous aider. Et vraiment, ce qui fait que, à part ceux qu'on gagne pendant euh, le championnat, mhm. Euh, pendant les temps où ils ne font pas du championnat, on est en train de les prendre en charge. Est-ce que vous pensez que ce soutien est assez suffisant à comparer aux pays voisins comme de la sous-région comme le Sénégal, le Nigeria, où on voit les, lutteurs qui sont dans de bonnes conditions Ce que peut-être euh, les gens comparent des pays qu'on ne doit pas comparer. Au niveau du Sénégal, eux, c'est purement commercial. Nous, c'est purement social. C'est ça la différence entre les deux pays. Mm-hmm. Nous, au Niger, quand il y a euh, lutte, en tout cas, euh, c'est l'État qui est en train d'organiser. Mm-hmm. Et au niveau du Sénégal et dans d'autres pays, c'est des partenaires qui prennent ça en charge mm-hmm. et qui cherchent de l'argent avec ces lutteurs-là. Et nous, vraiment, aujourd'hui, notre problème, c'est que nous n'avons pas de tels genres de promoteurs qui peuvent nous aider pour que, qui peuvent financer. Ils sont là en train de vouloir avoir seulement des résultats sans pouvoir autant euh, travailler. Et c'est ça le problème de, notre population. Et donc, quels sont, euh, selon vous, les vrais problèmes des lutteurs euh, que font face les lutteurs ici au Niger Quels sont les vrais problèmes les vrais problèmes des lutteurs, il y a leur prise en charge. Ça, vraiment, c'est un grand problème. Il y a aussi le manque de sponsors. Aujourd'hui, quand tu parles les sociétés de la place qui peuvent nous aider pour que on ait de telles rencontres avec la dernière fois, nous avons voulu rencontrer les Sénégalais au Niger, mais nous n'avons pas eu de financement. Si avant de poursuivre ce débat, nous retrouvons Maître Marie qui nous fait une analyse sur la situation actuelle de la lutte traditionnelle au Niger. On l'écoute. La lutte traditionnelle au Niger, en tout cas, a été toujours un sport facteur de l'unité nationale. Vous avez vu pendant la dizaine de jours où, en tout cas, les compétitions de lutte se manifestent, tout le peuple nigérien est branché. La preuve, vous avez toutes vos télévisions, vous avez toutes les radios, vous avez tous les journaux. Les compétitions de lutte sont parfois retransmises en direct à la télévision nationale. Donc le gros effort a été fait en ce sens. Vous savez, autrefois, nous faisions le choix des adversaires. Chacun tombait dans l'arène et choisissait son, adversaire de combat. Ah, ça a évolué et c'est devenu maintenant que eh, c'était le tirage au sort. Et jusqu'à présent, le tirage au sort a existé et c'est ce que nous continuons. La manifestation attire tout le public habitant au Niger, de la sous-région. De façon que quand il y a un sabre national qui est organisé, nous enregistrons en tout cas la participation de plusieurs pays d'une manière ou d'une autre. Et parfois avec des dons et des legs et des cadeaux et les chevals. Est-ce que vous pensez qu'il y a toujours cet engouement euh, aujourd'hui autour de la lutte traditionnelle Si on doit parler de la vérité, l'engouement de la lutte, en tout cas pour le moment, a baissé. Qu'est-ce qui explique cette situation Beaucoup de choses expliquent euh, la, chose. Parce que je vous ai déjà introduit en disant, beaucoup de gens connaissent le règlement de la lutte pour l'avoir pratiqué. Autrefois, la lutte était faite sous la forme très réelle. Maintenant, la lutte a pris une autre forme. Parce que autrefois, les lutteurs luttaient pour leur dignité, pour leur performance et que la tradition était en mise, la valeur de l'individu. Les gens avaient une motivation intrinsèque, ce n'est pas une motivation extrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est je suis fils de tel, je suis de défendre en tout cas ma région. Mhm. Les lutteurs ont cet esprit avant de commencer la lutte. Maintenant, la motivation extrinsèque est arrivée. Ça veut dire, si je fais la lutte, qu'est-ce que je trouve dans la lutte la lutte est devenue presque une forme commerciale. De l'autre côté, le temps des combats. Vous savez, au Niger, nous sommes à 98% musulmans. Et une lutte qui va jusqu'à au-delà de 13 heures, les jeunes spectateurs, en tout cas, sont fatigués de voir et puis, ou bien une lutte qui va au-delà de 19 heures. La nuit, là, tout ça, là, donc, les gens quittent à peu près le spectacle pour aller se consacrer à la religion. Et la durée des combats. Quand nous assistons à des combats qui durent plus de une heure, ça veut dire vraiment la technique n'est pas de vigueur. Est-ce que vous pensez que le ministère en charge du sport et la, et la fédération même de la lutte traditionnelle jouent leur rôle dans le développement de ce sport roi ici au Niger Le ministère s'occupe de tout ce qu'il y a sport et affilié dans le cadre en tout cas de sport. Et le ministère lève son pouvoir aux fédérations. Les fédérations font la promotion de la discipline en général et de leur discipline en particulier. C'est pourquoi nous assistons à une trentaine de fédérations sportives unies sport. Quand on dit par exemple la fédération de lutte, elle s'occupe de la promotion de la lutte. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un problème, en tout cas de leadership au niveau de la lutte. Qui est le juge Le juge suprême est le ministère chargé des sports. Le ministère doit s'occuper du règlement de ce litige qui est en train de tenter de diviser notre sport que nous aimons en tout cas tant. Je reviens dans ce studio pour vous donner la parole, Monsieur Rabot. Monsieur Rabot, vous venez d'entendre euh, les propos de Maître Marie. Est-ce que vous êtes d'avis avec lui que le même engouement qui existait autour euh, de la lutte euh, dans les années précédentes n'existe plus, tous les problèmes qu'il vient de citer. Est-ce que vous êtes d'avis avec lui Bon, je suis un peu d'avis parce que, vous savez, euh, en réalité, comme on l'avait dit à l'époque, les gens défendaient un peu certains idéaux ou certaines valeurs et qu'aujourd'hui les valeurs ont changé. Et ça, c'est à tous les niveaux. Ça, c'est à tous les niveaux. Aujourd'hui, le lutteur ne va pas lutter seulement pour euh, une valeur quelconque, comme dans l'ancien temps. Puisque à l'époque, même si tu n'as pas à manger quand tu es au village, tu es pris en charge par la communauté. Surtout quand on sait que tu es important quelque part. Par exemple, s'il y a un chasseur ou un guérisseur, il peut ne pas cultiver et il sera pris en charge par la communauté. Ou bien si tu es un bon lutteur, on sait que ton jour viendra. Donc tu vas tu vas remporter le, le prix et honorer le, village. Et donc, tu es pris en charge. Tout ça, là, ce sont les efforts des chefs qui, de l'époque. Mais aujourd'hui, si tu luttes, même si tu amènes le sabre là, mais si tu ne travailles pas après, qui va te, te, te, nourrir mhm. Donc, c'est une situation du moment qui est, qui là et qu'on ne doit pas voir comme une situation euh, indépendante ou bien ou quelque chose qui est venu aujourd'hui. Et donc pour cela, moi je dis que il y a des facteurs qui sont venus s'ajouter. Il y a la, motivation, puisque avant, comme je vous ai dit, les gens sont honorés, le village, on te grandit, on, respecte, on te respecte, on respecte tes parents. Mais aujourd'hui, au-delà de ça, il y en a, on a vu après, il y en a des lutteurs ou bien des sportifs dans certains pays, après leur gloire, gloire là, ils n'ont pas eu d'autres euh, revenus mais il y en a qui, se suicident parce qu'elle vit intérieurement un passé qui n'est plus, qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, autant de leur gloire, là, on les accompagne partout. S'ils lèvent la main pour demander quelque chose, on leur donne. Mais aujourd'hui, là, quand ils ne sont plus actifs, qu'est-ce qu'on fait d'eux On les laisse à leur sort. Donc, c'est pour éviter des choses, pour ne pas faire des cas sociaux. Aujourd'hui, le ministère a pensé à motiver les lutteurs. Et en motivant, moi, je pense que c'est une bonne chose. Mais très malheureusement, il y a quelque chose qu'on devrait indiquer du doigt qui est en train de vouloir dévaloriser la lutte. Mm. C'est les combats truqués là qu'on est en train de voir, très malheureusement. Les voilà, les arrangements au cours de la lutte. Il faut appeler les choses par leur nom. Et ce sont ces combats-là qui sont en train de vouloir dénaturer la lutte. Le ministère, en collaboration avec la Fédération nigérienne de lutte, est toujours en train de regarder les voies et moyens pour arrêter euh, cette euh, situation qui est en train de, de, de, valoriser un peu la lutte. Merci à vous, Monsieur Moussa Jubo. Est-ce que la fédération est consciente de, euh, de tous ces problèmes qui viennent d'être relevés Oui, nous sommes conscients et que nous sommes chaque fois là en train de chercher des solutions pour y remédier. Comme monsieur le docteur vient de le dire, vraiment notre gros problème aujourd'hui, c'est les combats truqués. Ça crée la déception parce qu'il y a des gens qui font des kilomètres et des kilomètres. Et j'étais déjà dit que quand on prend même, tu prends de la chefferie traditionnelle, on a même un chef. Tu sais comment les chefs sont vénérés dans notre pays. Mhm. On les amène du matin au soir, ils sont en train d'asseoir pour regarder. Et vous venez, vous tranquez les, combats. Ça décourage. Et vraiment, euh, par rapport à ça, en collaboration avec euh, le ministère, nous avons pris des décisions pour que, en tout cas, au moins les combats truqués là ça cesse. Mhm. Quel est votre dernier mot Quelles sont les erreurs qui doivent être corrigées pour un meilleur championnat cette année Quand il s'agit de regrouper, en tout cas des lutteurs, il faut toujours euh, penser à leur restauration et à l'arbitrage. Parce que généralement, comme euh, la dernière fois le docteur a déjà parlé par rapport à ça, l'arbitrage, souvent, ça nous crée beaucoup de problèmes. Quand un arbitre juge mal, ça crée beaucoup euh, en tout cas de, de troubles dans l'arène. Et pour ça, nous appelons à nos officiels arbitres de tout faire pour bien arbitrer. Ok, merci. Et vous, Monsieur Salissou, votre dernier mot, est-ce que toutes euh, les dispositions sont prises pour un meilleur championnat cette année Pour finir rapidement. Ah, oui, en tout cas, comme toutes les, autres euh, années, cette année aussi, il y aura le. Il, est programmé un stage de recyclage à Zender avant le championnat qui mhm. va se tenir à juste la semaine qui, la dernière, à la dernière semaine du, qui suit le, sable. Donc, euh, semaine, euh, disons, avant le sable, une semaine avant le sable. Donc, c'est vous dire que le ministère est conscient de cette situation. Mm. Et je vous dis que euh, d'ores et déjà, il y a un comité qui est prévu pour vraiment juger des, combats truqués. Mm-hmm. Donc, il y a un comité qui est mis en place à cet effet, en tout cas pour ramener la lutte vraiment à son, à niveau. On sait que c'est en tout cas une tentative, mais toujours de concert avec euh, la, la, fédération. On cherche les voies et les moyens et certainement en cherchant, on va trouver la solution qu'il faut pour eh, définitivement mettre fin à, ces, à, ces, à, cette situation. Merci chers invités, nous sommes au terme de ce forum. Nos remerciements vont à, nos invités. Il s'agit de M. Sali Sourabo Obandawaki, il est le directeur euh, du sport pour tous au ministère de la Jeunesse et des Sports. Merci également à M. Moussa Jibo, secrétaire à la communication de la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle. La technique était assurée par Seni Saka à la présentation de Fils Adam Sirfo. À bientôt pour un autre forum et une autre thématique.